soirée am ma waxat ni fuk ak ben autorité yo xamné bo moy amna ñaar ño xamné ñu ngi nekk ci ginnaw di ko ruux muy def yëfu dof ñu bayiwul di ko ruux dina génn ci lu nit ñi waxati waaye eh, amul une liste <laughs> waaye on va faire la même chose voilà parce que je voudrais rappeler euh, dañu nekk ci jamono boo xam ne nouvelle technologie yi dafa dafa avancé trop ba euh, nga police judiciaire un malfaiteur dañuy un numéro de téléphone un dispositif de GPRS la géolocalisation dem au parc. ce n'est plus l'apanage des services de sécurité solution yi jëlee bu doom buy jàngee ko nga xam ne euh, bu la tàggoo maa ngi jàngi bëgg sa xel dal wala boog bu bu jógee école yéex ana nga ne maa ngi ci yoon bi nga ne da nga jàll euh, magique langue wala feneen nit ñi mën nañ ko am léegi police rek yoratu ko am na beneen logiciel aussi parce que xam nga bu njëkk ba léeg-léeg gis nit benn samba booy woo la di la saaga léegi wala di la menace. ils sont tellement courageux que dañu jël euh, numéro privé xam nga da nga daan jàpp nga plainte le procureur euh, euh, police judiciaire police judiciaire des réquisition sur opérateur de téléphonie mobile alors ñu a dit, tiré historique bu appel entrant et appel sortant D'ailleurs, dinaa heure la tel opérateur numéro bi la woon lii la ñu daan dem xam nga nan laa daan dem léegi ñun am nañu logiciel boo xam ne boo leen bëggee ma may leen ku leen woo te mu yore numéro appel privé buy sonné sa téléphone rek numéro am day affiché wu. alors <laughs> de manière d' abord je précise que infoline bi la daan wax dëgg du benn infoline amul njëgu infoline. nga flyers bi mu ne fang ci Facebook. pour faire la promotion de sa soirée. dafa ne waaw soirée strictement privée euh, le 11 le onze janvier lañ koy def. voilà infoline. toute inscription appelée au tel tel on a na loolu. Mhm. du infoline xamul lu infoline. comme mooy dama la jox exemple benn compagnie aérienne am mhm. ah comme British Airways comme Air France. Ni recevoir ci ay appels par jour pour des réservations des demandes de renseignement Ap secrétaire mënu koo dékku. On a ñom dañuy am ben plateforme informatique avec nos puissants serveurs. c'est un investissement lourd 30 hein, millions 50 millions Bo xamné une voix humaine lañ ciy enregistré alors bo woté numéro bi rek parce que ñom dañ lay agent de voyage tel euh, l'agence de l'avenir etc. cetera euh, infoline numéro temps Bo composé numéro boobu rek immédiatement nga dégg une voix humaine mais oui vous êtes sur le serveur de tel agence Vous continuez en français appuyer sur 2. Si vous voulez des informations sur les destinations de nos vols, appuyez sur 3. Si vous voulez réserver un billet, appuyez sur 4. Info la yooyu boo wootee te jotoo sax réserver billet nga ne ah bàyyi ma bàyyi terewul sa tur nga fa parce que vous avez un mooy info line moom du benn info line le numéro ordinaire Bon boo xam testé nañu parce que vous avez un maa vous avez un ma alors on a envoyé des boss testé Nous ñoom ñëpp nous sommes dañu soit nañ muy sonné décroché nañu mais dafa ci boîte vocale une info la numéro ma xamal ko dogal cursus euh, nouvelle technologie de l'information et de la communication Je de coopération culturelle et technique l'ancêtre donc ACCT, c'est l'ancêtre de l'OIL joxe fait maa étude supérieure en nouvelles technologies de l'Information et de la communication en Belgique voilà jàngee euh, à l'institut supérieur d'informatique et de gestion Moi, j'ai fait ma fa IAI institut africain d'Informatique. Comme mon premier emploi centre international du commerce extérieur ñu gën ko xam ci CICES le ko xam ci turu foire waa foire am ngay service informatique maa créé la comptabilité la facturation la gestion était manuelle avec de larges marges d'erreur il y a le léegi yëpp dañ ko interconnecté en réseau j'ai servi comme premier chef du service informatique dans l'histoire du CISES, de 1989 à 2008 19 kon y a ci euh, commerce électronique nouvelle technologie de l'information et de la communication

kilifa doo ko doo joxe bopp di rocc lan jiital naa kilifa yi ma la wax léegi le commissariat Cheikh drame te maa koy gërëm pour son accueil euh, démb bi may yo indi sama plainte gërëm tamit kilifa yeen kilifa yi ma présenté voilà léegi damay bàyyi ñom église eggali seen waye ñun jàmbaar on a fini ci ay wax yi ràmm léegi dañuy bàyyi rek ñoom def liggéey bi